Je féliciter et remercier le directeur général de l'ADIE pour l'accueil chaleureux et collaboratif qu'il a réservé à la délégation du ministère de l'économie numérique et des télécommunications pour euh, notre première sortie. C'est une visite de prise de contact, mais aussi suivie d'une séance de travail avec le directeur de l'ADIE et ses collaborateurs. Mais c'est l'occasion pour nous vraiment d'apprécier le travail remarquable qui est en train d'être fait par l'ADI. Et en profiter aussi vraiment pour saluer euh, l'engagement du président de la République de faire du numérique un secteur porteur de développement. Aujourd'hui, le président de la République a vraiment investi beaucoup de moyens, énormément de moyens dans le secteur du numérique. C'est l'occasion de saluer son engagement personnel, mais également sa détermination pour faire de l'économie numérique une réalité dans ce pays. Aujourd'hui, l'ADI est en train de dérouler des projets extrêmement importants donc pour le pays et c'est l'occasion pour nous vraiment de saluer l'expertise sénégalaise également qui a été mise en contribution pour réussir ces projets. Il n'y a que des jeunes leaders ici, des experts sénégalais jeunes, dynamiques, engagés pour le développement du pays je voudrais vraiment les féliciter, mais également inviter les jeunes à s'engager dans le numérique. Il y a des opportunités importantes qui sont dans ce domaine et l'État a déjà mis en place les infrastructures et les euh, le dispositif nécessaire pour que les jeunes puissent aussi avoir de l'opportunité et des emplois dans ce secteur. Nous allons dans les prochaines semaines naturellement discuter avec toutes les parties prenantes donc, qui sont dans, dans les instances d'encadrement des jeunes, et de création d'emplois pour qu'ensemble nous puissions accompagner davantage la jeunesse par une sensibilisation, mais également par des offres de formation pour que notre jeunesse puisse profiter donc réellement des opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. C'est un secteur prioritaire pour promouvoir l'emploi des jeunes Absolument, mais <clears throat> tous les métiers nouveaux que vous connaissez aujourd'hui et qui sont à la disposition de la jeunesse doivent être mis à contribution. Et nous avons, avec les autres partenaires, les autres ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation, le ministère de la Formation professionnelle, mais également le ministère de la Jeunesse, travailler à ce que une panoplie donc d'offres de formation et de capacitation soit mise à la disposition de la jeunesse pour vraiment euh, leur offrir des opportunités. Et c'est possible. Nous avons euh, prochainement le grand forum, comme vous savez, le forum du numérique qui est en préparation, les 26-27, mais également le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Donc c'est pour montrer simplement l'importance que le président accorde au numérique, mais également l'opportunité que ça offre aussi à la jeunesse. Nous allons tous en naturellement sensibiliser, travailler et mobiliser notre jeunesse dans ce créneau qui est un créneau porteur. Alors, euh, présentement, les télécoms et les numériques constituent 6,5% peut-être euh, sur le PIB. Comment comptez-vous donc ce secteur jusqu'à quand même renforcer ou bien l'élever au niveau de 100% Non, les investissements consentis par le chef de l'État montrent qu'il a pris la ferme volonté et la résolution de faire de l'économie numérique un facteur de développement qui est au cœur même donc, du développement économique du pays. Je pense qu'avec la Covid, donc, nous avons pu apprécier l'importance du numérique et des télécoms donc dans, le, dans l'économie nationale et même internationale. Et nous allons naturellement, avec les investissements, rationaliser, mais aussi rentabiliser. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que l'ADIE, grâce aux investissements de l'État, a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi faire du numérique et des télécoms un secteur de développement. Donc toutes les administrations, aujourd'hui, il y a plus de 1500 bâtiments quand même publics, administratifs, connectés, mais également le Wi-Fi disponible partout. Je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal, qui est un projet extrêmement important, très structurant, mais également le projet passant et pas mal de projets aujourd'hui qui sont en train d'être déroulés ici. Et je pense que ce sera l'occasion aussi pour le euh, directeur général, de, communiquer davantage sur ces projets structurants pour que les Sénégalais, l'opinion sache vraiment les efforts consentis par le président de la République dans ce domaine. Donc en tout cas, nous sommes très rassurés par euh, ce que nous avons vu ici. Et c'est l'occasion à nouveau de féliciter le directeur général, ses équipes et aussi saluer l'expertise sénégalaise développée ici par donc, notre jeunesse. Je pense que M. le Président de la République a pris un certain nombre de dispositions. Des dispositions importantes ont été prises. Donc vous avez suivi la vote naturellement sur euh, les startups, donc la loi sur les startups au mois de janvier passé, et très prochainement, naturellement, le président de la République prendra les décrets d'application pour que nos startups soient davantage accompagnées. Pour le moment, nous avons 3 milliards avec l'ADER, mais le président de la République souhaiterait donc, augmenter ce budget, renforcer le dispositif d'accompagnement des startups, de notre jeunesse de manière générale, pour que la jeunesse puisse tirer le maximum de profit de ce secteur innovant et ce secteur porteur vraiment de plus-value. En tout cas, dans les prochaines semaines, vous allez, vous allez voir toutes les dispositions prises par le président de la République pour accompagner notre jeunesse et nos, startups. Ah, l'endroit des administrations pour une meilleure appropriation des services de oui, je souhaiterais en profiter pour lancer un appel à nos administrations pour qu'elles sachent que l'ADIE aujourd'hui a l'expertise, les infrastructures et le potentiel pour accompagner donc toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner sur la digitalisation et la dématérialisation. Je pense qu'il faudrait quand même que tous les ministères les administrations centrales puissent s'engager à ce qu'on puisse bâtir une dynamique unitaire vraiment pour réussir ce pari. Et sur ce point-là, j'entends sensibiliser donc, tous mes collègues donc, au, au niveau du, gouvernement, mais également que les administrations centrales soient davantage sensibilisées. Nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement, de sensibilisation, mais également de mutualisation de nos efforts. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, tout en vraiment félicitant donc euh, la presse pour votre présence et votre accompagnement. Merci beaucoup. Mais alors, votre dans le Non, écoutez, nous sommes là pour une visite euh, ah. institutionnelle. et euh, Nous ne sommes pas là pour de la politique. La politique est derrière nous. Nous sommes là pour travailler. Cher Bahoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État. Je voudrais tout d'abord me réjouir hein, de la visite du nouveau ministre de l'économie numérique et des télécommunications, M. Yankova Diatara, euh, qui a quand même, euh, en tout cas, qui est venu pour sa première sortie au niveau du Technopole, qui est le siège de, de l'ADIE. Nous le remercions pour ça. Mais cela montre tout simplement la volonté qu'il a vraiment d'accompagner l'agence dans sa visibilité, dans la prise en charge et surtout la sponsorisation des projets que l'ADIE est en train de dérouler. Je pense qu'il a un peu rappelé tout ce qu'on est en train de faire euh, au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, l'ADI a des activités dans les 45 départements du pays. <clears throat> Nous déroulons des projets extrêmement structurants pour notre pays où nous voulons véritablement apporter de la vraie transformation digitale au sein de notre administration. Le ministre l'a rappelé, le président de la République a confié à l'ADIE des projets extrêmement structurant. Nous avons le projet Smart Sénégal, nous avons le projet Passant, qui ont une seule volonté, c'est de connecter le Sénégal, connecter les Sénégalais, connecter surtout nos administrations, les approcher des citoyens pour vraiment permettre à notre pays de fonctionner à des niveaux quand même de standards extrêmement importants. Et je pense que nous sommes à la fin de la plupart de ces projets. Nous espérons que d'ici euh, le début de l'année, beaucoup de ces projets vont pouvoir euh, vraiment être euh, utilisés par les Sénégalais de manière générale. Déjà sur le domaine de la connectivité, beaucoup d'administrations, plus de 1500 bâtiments ont été connectés. Sur le Wi-Fi public aussi, beaucoup de places aujourd'hui publiques sont connectées. C'est le cas au niveau de l'aéroport de beaucoup de places publiques au niveau de Dakar, mais également dans les 14 régions euh, du, Sénégal. Au-delà de ça, sur la connectivité toujours, nous, aurons l'arrivée d'un nouveau câble sous-marin d'ici décembre 2021, ce qui va renforcer la bande passante internationale du Sénégal. C'est vraiment des innovations majeures que nous apportons aujourd'hui au niveau de l'administration, mais également au niveau euh, du Sénégal de manière générale. Je pense qu'avec euh, vraiment euh, la vision du chef de l'État euh, qui est aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement, par le ministère, par aujourd'hui l'ADIE qui est une structure d'exécution, nous sommes en train vraiment de faire du Sénégal un pays numérique où en tout cas le seul credo qui vaille, c'est que le Sénégal puisse être souverain sur le domaine numérique, sur le domaine des infrastructures et que nous ne dépendions d'aucun pays pour vraiment euh, faire fonctionner euh, nos administrations, pour faire euh, bénéficier des services de proximité à nos concitoyens. Tambali di nuyu di gërëm directeur général ADIE ak ay collaborateurs qui ci accueil bu rafet biñ mais également profiter wax ni dañ ñëw pour suñu première sortie une visite de prise de contact avec les direction et services qui dépendent de notre ministère et y Soutral nañu vraiment am nañ fi accueil bu am solo ci direction mais également partenaires collaborateur directeur bi nous te am nañ aussi centre de travail pour nous ni moo total qui lañ toftal visite bi mais centre de travail bi une occasion pour nous, ñu apprécier gis liguey bu am solo bi nga xamni ni nous mu ngi def ci Sénégal et c'est l'occasion pour nous de saluer vraiment engagement au président de la république ci de la télécommunication de économie numérique réalité au Sénégal Il projet am solo yoo qui ni état bi financé Le président de la république personnellement engagé pour vraiment pour def numérique ci xolu économie Sénégal Il un projet qui est investissement qui est ci def yëpp vraiment président de la république jàpp le numérique euh, bëgg na mais aussi xam na ni mën na yóbbu réew sori et opportunité la pour aussi bien la jeunesse mais aussi pour le Sénégal d'une manière globale pour ñu def euh, numérique secteur ou développement defe naa ni am projet yu am solo yoo xam ni peut-être directeur dina ci ñëw tout à l'heure yoo xam ni mu koy dérouler mais également seen importance day wane engagement personnel président de la République ak gouvernement bi pour def du télécom et du numérique réalité au Sénégal defe naa ni tey Sénégal am euh, niveau de développement donc télécom télécommunication ak numérique bo xamni ni amul lenn lu muy envier yenen pays yi mun ni sax mun naa ni ci leader yi la bok au niveau même mondial. parce que liñ fi gis day wane té sénégalais rek def ko wane na ni ci Sénégal am nañu xarañte bo xamni ni expertise bo xamni ni mën na yóbbu réew mi fu sori té lolu damay profito rek lancer appel à la jeunesse wax len ni numérique mo ngi fi. Télécommunications, tous les jeunes sont connectés jeunes utilisons ñoo numérique mais nous devons ko capitaliser mu un moteur de développement comme nous le ferions au mi mais également mu opportunité pour que jeunesse bi aussi emploi, ci y a les emplois nouveaux y a les nouvelles opportunités qu'offrent naturellement les télécommunications et le numérique il faudrait qu'on en profite davantage qu'on fasse profiter à notre jeunesse de ces opportunités là

vraiment pour que projet am solo yi président de la République initié na mis mettre en œuvre exécuter ko exécution bu mucc ayib Sénégalais yépp xam ko Sénégal yépp gis ko def profiter aussi de l'occasion pour wax invité ñëpp ci forum bu mag bi nga forum du numérique nga président de la République mo koy présider les 26 et 27 novembre mais également grand prix bi nga le président de la République joxé muy grand prix du chef de l'État du président de pour l'innovation numérique nga xam daf ko lancer pour encourager ndaw ñi ñu ñi xarañ ci te bëgg numérique ñu duggal ci sen loxo mu jox leen ay ndampa yu am solo yo xam dafa bëgg xalé yi jeune yi gën ci xarañ gën ci réfléchir mais également ñu motiver leen pour aussi ñu mëna xalaat lu yobbu Sénégal yu gën sori Sénégal bu jëm kanam té loolu aussi dafa naa ne am solo ba tax na dinañu profiter ci forum bi aussi pour partager avec sénégalais li nga xamni ni ADIE mu ngi def te mu nek ay projet am solo mais aussi nek am réussite bu am solo je pense que lolu dal la ci bëggoon wax di wax ni jeunesse vital comme ni ma ko waxee opportunité ya ngi fi numérique président la def na bolé na ko ci ay priorité donc ñun tamit dinañu notre devoir moy vision président la bop ñu mettre ko en œuvre mais également ñu profiter ci travail à ce que jeunesse bi capitalise ko le maximum d'opportunités jeunesse bi dal ci qui di Et bénéficier wu te toutes les administrations et euh, tout le gouvernement en profiter pour lancer un appel aux administrations centrales aux ministères. Nous ñi nga les administrations, administration Sénégalais yi sont euh, dans le cadre de la dématérialisation et digitalisation comme digitalisation pour que les bu nit bëgg ci administration bi ak par téléphone portable ou par clic fi mu toog du fa jóge te loolu lépp li muy indi ci njeexital mooy dëkk bu gën a dox ñi gën a soxla kayit ñu gën ko gaaw a am mais également ñu mën a li ñu bëgg lijjanti dinañ ko lijjanti duñ dépenser lu bëri mais également duñ déplacer lu metti defe naa ni am na ay euh, fonctionnaires yoo xam ne comme enseignant yi defe naa ni ADIE mu leen di accompagner ci benn plateforme bu am solo pour suivi seen dossier administratif yi te ñëpp xam nañ ni nekkoon na sax ay points de revendication bañ dugal ko ci ay grève ak yooyu loolu lépp day day li nga xam numérique mën na ko indi tey ci suqali réew ci développement vraiment Sénégal te loolu ñuy lancer appel boo xam pour que administration centrale yëpp mën a collaborer ñu joxantal ko ñun ñëpp ensemble faire équipe pour que loolu ñu mën ko accélérer pour que sénégalais bu fu mu mënti nekk puisse disposer li nga xam ne moom la soxla ci kayit tu déplacer tout le temps di ñëw ba Dakar du perte temps de du perte xaalis bëri defe naa ni loolu ci ay point la yoo xam numérique am na ko ko te loolu incha allah rabbi dinañ ci gëna a liggéey donc di sant ñëpp di gërëm alaykum wa rahmatullah. d'abord damay gërëm bu baax monsieur le ministre euh, Yankoba Diatara euh, bi nga xamantene euh, dañ ko tab ci ay fan yu néew mu jaglel première visite am donc ADIE loolu honneur la pour ñun mais également wane na bëgg-bëgg bi mu am vraiment pour accompagner agence de l'informatique de l'État ci liggéey bi nga xamantene président Macky Sall def dañ ko def la leen ko dénk wax na ko ay projet yoo xamante ñu ngi koy doxal ci biir état bi pour sénégalais yi ci 45 départements département wu euh, dëkk bi loolu mu nekk ay projet lo xamantene ne yépp yëpp moy nu ñuy def ba am connectivité fépp ci biir Sénégal parce que ñëpp xam nañu lan moy connectivité tay nan lay accompagner économie réew mi ci domaine yépp pour vraiment ñu mën a euh, accélérer sunu sunu sunu développement loolu nag euh, gëm nañu ne ak donc vraiment son accompagnement dinañu ko mëna baral ci biir Sénégal dinañu aussi vraiment permettre suñu administration ñu gëna a outillé wu ci ci ci walu numérique parce que gis nañu effort yu bari yo xamna ne daf koy def mais dafa laaj tay engagement wu ministère yi engagement wu administration publique yi pour ñu mëna approprier wu outil yi nga xamantene ne daf ko tek donc mon ci papa en tout cas sensibiliser nañ pour mu wax ak mbokku euh, en tout cas ak natango ministre mi ak aussi tous les responsables d'administration pour ñom ci sen bop ñu mëna xamné que li nga xamante ne daf koy def c'est pour c'est pour ñom té donc ñu vraiment di def ay investissement yo xamante ne daf nako ba paré dans les administrations mais également pour ñu mëna préserver notre souveraineté manam suñu ay données ñu Sénégal mën ko garder ñu éviter di ko def ci yeneen i réew loolu yëpp sensibilisation la laaj te moom tey engagé wu na ak ñun accompagne ñu ci structure état bi yëpp pour que loolu mën am donc ñu ngi ko ci remercier di ko féliciter ci approche bi moom l'approche de proximité xool ñëw xool li ñuy liggéeyee mën a en contact direct ak ADIE pour mën a xam suñu ay jafe-jafe pour mën andak ñun vraiment ci volonté bi nga xam président Macky Sall am pour faire du numérique une réalité dans les contrées les plus reculées du Sénégal voilà dina am donc ci walu euh, donc projet euh, Smart Sénégal amna ben euh, en tout cas projet bu ñu wowe le câble sous-marin Madame tay ñëpp xamnañu né internet nek na lo xamantene dans daanaka ñëpp ko soxla au niveau du Sénégal Au niveau de l'administration D'ailleurs, la zone yu bari yoo nous amuñu possibilité de donc débit bu donc le Sénégal président Macky Sall a engagé le gouvernement l'Agence engagé de l'informatique de l'État pour indiquer les câble sous-marin bu d'ici décembre 2021 Nous avons renforcé la connectivité internet presque à plus de 100 gigabits en plus yi permettre non seulement administration bi autonome ci internet donc ko jëndati mais également dina tax ñu mëna sénégalais à travers les opérateurs titulaires de licence donc capacité bi nga xamantene ñom connexion à un prix à un prix raisonnable parce que aussi objectif du président là, euh, parce que xam nañu né tay internet cher na Sénégal euh, parce que aussi offre bi diversifié trop donc avec ce nouveau euh, câble qui va arriver nous allons pouvoir dinañ mën a bu baax euh, internet Sénégal